Amis fidèles, auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de Niger sur Kalangou ce lundi 9 octobre 2023. Je suis Ali Moukela Ouseni, alias Seno. Avec moi, Mariam Adé pour la présentation. Mariam, bonjour, comment tu vas Ça va bien, Seno, et toi Super bien. Alors, on a quoi au menu Comme d'habitude, Mariam, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec euh, un flash d'informations pour commencer et aussi de la bonne musique nigérienne. Dans la rubrique hebdomadaire, d'aujourd'hui, nous parlerons justice comme chaque lundi. Nous recevons comme invité ce matin Mademoiselle Amadou Idrissa Alimatu. Elle est décoratrice des lieux de cérémonie et PDG de l'entreprise Alima deco Avec elle, nous parlerons de son métier de décoratrice. Ah oui, toujours dans cette émission, il y aura aussi du sport. Un reportage régional du loti avec les femmes du studio Kalangu et de la culture linguistique en français et en anglais. Nous bouclons avec le message vocaux de nos auditeurs. L'édition est assurée par Kadijatou Isaka et Adama Dawaki. À la technique, nous avons Issa Lawali. Nous démarrons l'émission avec les flashs d'informations présentés par Nafissa Adam Bonjour Nafissa. Bonjour Mariam, bonjour Seno. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'informations. Suite aux spéculations autour du prix du riz ces dernières semaines à Niamey, le ministre du Commerce et de l'Industrie a annoncé samedi avoir trouvé une entente avec l'importateur Oudinoussa et ses établissements pour que le riz de qualité 25% brisure soit revendu à 13 500 francs céphales, le sac de 25 kg aux consommateurs Selon le ministre, des dispositions sont prises par le ministère et l'importateur pour que ce riz facilement reconnaissable à son sac jaune soit redevient à ce prix quel qu'en soit le point de vente. Ce lundi 9 octobre est célébrée la journée mondiale de la poste en commémoration au 149e anniversaire de l'Union postale universelle, une institution de l'ONU. À cette occasion, le ministre de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique Sidi Mohamed a rappelé que le Niger a mis en place un dispositif qui assure depuis 2017 le paiement de plus de 80 000 contracteurs de l'État et compte bientôt assurer le paiement des bourses des étudiants et des allocutions des élèves du secondaire. Enfin, en sport, la Fédération nigérienne de football a annoncé la fin de sa collaboration avec le Français Jean-Michel Cavalli, précédemment sélectionneur du MENA national. Son intérim sera assuré par Zakaria Ibrahim, sélectionneur adjoint chargé de conduire le MENA national lors des matchs de la prochaine fenêtre FIFA prévue contre le Libéria et la Sierra Leone les 14 et 17 octobre prochains à Casablanca au Maroc. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nefis ça pour le Flash Info qui nous informe sur l'actualité de la journée. C'est le moment pour nous euh, d'en savoir un peu plus sur notre invité du jour, n'est-ce pas Mariam Eh oui, sinon, comme annoncé en début d'émission, nous avons comme invité de cette émission mademoiselle Amadou Idrissa Halimatou. Je rappelle qu'elle est décoratrice des lieux des cérémonies, elle est aussi également directrice de son entreprise à Deco. Mais bien avant, on va écouter de la musique, n'est-ce pas Sinon Oui, et le premier artiste de notre sélection musicale d'aujourd'hui est Daré qui nous chante ici

yayi tsada rayuwa muke nishar Allah a gyara a tsadala rayuwa muke wai ko mi ke faruwa a tsadala rayuwa muke nishar Allah a gyara a tsadala rayuwa muke wai ko mi ke faruwa oga a duba dan a sassafta talakawa sun shima cikin wuya dan bashin ma yau an daina badawa in baka da sai kakon da yunwa ba siga Mauro kogi da haya ya yi tsada cada haya kulu cada irin bafuna cada nwaro cada esan so cada haifo ba cada kogi haya tsada et oui, Chada, c'est le titre de cette chanson que vous êtes en train d'écouter, cher auditeur, euh, de l'artiste Daré, il est né en 1988 à Niamey. L'artiste Maman Moussa alias Dare est un jeune artiste rappeur, chanteur, compositeur qui a opté pour le rap conscient dans le style afro-hip-hop. Passionné de la musique depuis son bas âge, en 2005, l'artiste a débuté dans un groupe du quartier dénommé NGB Nagodi Voilà, avec un ami d'enfance répondant au nom de d'Alfija Abdou Ide dit Alfpi. En 2015, la, carrière de l'artiste connaît un grand succès avec la sortie de son troisième single en solo titre Ma, dédié au moment un son tant apprécié par le public jeune et adulte étant sollicité lors de plusieurs activités. À la sortie du clip de ce titre le 22 novembre 2015, la carrière de Daré prend une grande ampleur. Voilà, après cette mélodie, euh, c'est le moment pour nous de nous entretenir avec notre invité du jour, mademoiselle Halimatu. Alors, bonjour Halima. Bonjour Saino. Ça va bien Ça va bien, merci. La forme En formation. Super. <laughs> pour commencer, Halima, euh, pouvez-vous nous parler de l'histoire de Lima Déco et votre parcours en tant que PDG de l'entreprise Ok, d'abord Déco c'est une entreprise de décoration qui a été créée en janvier 2023. Hmm. Voilà, le parcours, la décoration m'est venue euh, parce qu'au début, j'avais le j'avais le projet de faire des dessins, des designers, euh, okay. trucs de peinture et tout. Donc, le fait de mixer des couleurs et tout ça, l'adéquation m'est venue vu que je suis un peu douée au niveau des créativités. Mhm. J'ai dit bon, pourquoi ne pas me lancer dans une décoration, essayer de faire des décorations événementielles. Mhm. Voilà, c'est venu par là. C'est parti. Euh, c'est parti de <laughs> cette euh, voilà, flèche qui me venue en tête. Du coup, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas essayer, voir mhm. comment ça va se passer. Et ça se passe bien Oui, ça se passe bien. Alors, quelles sont les principales prestations qui proposent à Lima Bon, elle a plusieurs prestations. Il y a ceux de décoration traditionnelle que récemment est demandée par les clients, le public. Mhm. Il y a aussi la décoration moderne. Ça consiste à faire des décorations de cocktails, d'anniversaires, de réunions. Mhm. Voilà, un peu partout, un peu près que ça. Ok. Alors, comment est-ce que l'IMADECO hein, se démarque-t-elle de la concurrence en termes de créativité vous, en avez parlé, excusez-moi, vous, vous en avez parlé tout à l'heure. Comment est-ce que euh, votre entreprise Limadeco arrive-t-elle hein, à, se à se faire démarquer euh, en termes de créativité et d'innovation dans le domaine de la décoration. En termes de créativité et de motivation, Lima Déco reste à l'afflux des dernières tendances en matière de décoration, hmm. la collaboration avec des designers talentueux. Ah ok, donc vous, vous, vous collaborez aussi avec, avec des designers. Oui, avec des mhm. designers, parce que supposons quand je fais l'adéquation traditionnelle, il y a certains qui demandent leur habillement traditionnel. C'est à travers les ethnies. Si c'est des ethnies Zarma, donc il me faudrait des habits vestimentaires Zarma, hmm. ou bien Hausa, donc il faudrait avoir d'appui des designers. Hmm. Par ça aussi, nous proposons des personnalités en travaillant étroitement avec des clients, créer hmm. des ambiances uniques, mémorables, okay. chercher des permanences effectivement à faire de style, de combinaison de couleurs aussi. Ok, ok. Et, ça donne quoi Est-ce que les, clients arrivent à aimer cela Effectivement, les clients arrivent parce qu'on reste toujours dans le thème demandé du client. Ok, ok. On reste toujours dans son ethnie. Hmm. Ah. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples de projets de décoration des lieux de cérémonies marquants que vous avez réalisés Effectivement, je me souviens bien, le 8 septembre, le mois passé, mhm. j'étais à Maradi pour une prestation de traditionnelle. Waouh Donc, euh, vous partez même en dehors de Niamey En dehors hein. même de Niamey. <laughs> Vu qu'à Maradi, il y a des amas qui sont là, donc ils ont besoin de décoration des Donc, j'étais partie là-bas assurer, suivi de l'adéquation du cocktail. Parce qu'il y avait eu deux mariés, donc du coup, j'ai assuré aussi le mhm. cocktail en décorant aussi une salle que m'ont donnée pour décorer. Ok, ok. C'est votre premier euh, déplacement euh, à l'intérieur ou bien vous en avez l'habitude de, vous déplacer pour faire des prestations à l'intérieur J'ai l'habitude de me déplacer pour faire euh, des décorations à l'extérieur. Ça reste toujours dans le cadre du Niger. Ok. Et la facture, c'est comment ah. C'est important de. Oui, c'est important. La facture, ça hmm. va. Parce qu'on essaye de calculer le fait de transport, les va-et-vient, l'aller-retour, le mhm. risque à prendre, tout ça. On mhm. essaye de faire un bon budget à la personne, au client. pour qu'il soit satisfait et nous de même aussi. Ok, d'accord. Super. Alors, euh, quels sont euh, les facteurs clés hein, à prendre en compte lors de la planification d'une décoration de lieu de cérémonie hein, pour qu'il y ait une réussite totale quoi? Hmm, les facteurs clés à prendre en considération lors d'une décoration, d'abord, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs, à savoir le thème, mhm. le style, le budget, la couleur, l'éclairage, l'ambiance. Hmm. Bref, presque tout ça. L'éclairage, vous avez aussi des, je sais pas. Des... Oui, quand il s'agit d'une décoration de cocktail, là, mhm. il faudrait de l'ambiance, de l'éclairage, les jeux de lumière, la luminosité, pour que l'ambiance soit un peu animée. Ok, ok. Voilà. Super. Et là, vous, vous, avez tout ça là au niveau de votre entreprise ou bien vous faites aussi appel à d'autres prestataires parce que vous avez parlé de lumière. Effectivement. Je mm. fais appel à d'autres prestataires parce que je ne me base pas. À moi seul, je ne peux pas assurer le tout. Donc, mm. je n'ai pas assez de matériaux mm. pour assurer ça. Je suis en collaboration avec quelques partenaires. Oui, mais ça, ça va arriver ça, va, Il y aura, y aura un, département spécial, pour ça, <laughs> effectivement. <laughs> D'accord. Alors, chers auditeurs euh, et auditrices euh, du Niger sur Kalangou, mission Le Niger sur Kalangou se poursuit avec euh, de la musique. On va faire une petite pause, hein, avant de, revenir avec vous. Alors, chers auditeurs, on vous laisse kiffer l'artiste Limandja avec ce titre 29 juillet.

faisait pas de prudence, On jouait même sur le toit. Je me rappelle de toutes ces vacances où j'étais avec toi. On faisait pas de concurrence. On prenait la même voie. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais tout a changé. Depuis que mon frère nous a quittés, tu l'as appelé. Au secours, il y a la pluie qui tombe, on n'est pas couvert. J'ai cherché un refuge, je suis seulement dans le Sahel vert. tu es maman, je ne me sens pas bien. Où es-tu papa ah, Tu es allé très loin. Je suis seul au monde, personne pour m'aimer. J'ai mal au cœur, qui va me le calmer Je me rappelle de la violence qu'on a vécu là-bas. Je me rappelle de la souffrance que nous ont fait en bas. Je me rappelle de tous ces moments que j'ai passés sans toi. Nasser alias Ali Manger a toujours été un passionné de la musique hip-hop. Depuis son jeune âge, il passait beaucoup de temps à écouter de la musique avec ses aînés, s'accrochant aux radios pour essayer d'écrire les paroles à des artistes. Et oui, très dynamique, euh, cette star montante du rap est appréciée par le public nigérien, ce qui lui a permis euh, d'occuper euh, la première place du classement du concours musical Mouria Niger. Outre sa contribution en faveur de la paix, Omar Abdel Nasser œuvre aussi pour le rayonnement de la culture nigérienne et appelle à travers ses chansons à la conscientisation de la jeunesse nigérienne qui joue par ailleurs un rôle important dans le développement de notre cher pays. Je cherche partout, je ne te pas. Dis-moi où es allé, je venais pour toi avec toute mon j'ai les plus chers pour te retrouver. Mon bébé vaut de je vais t'épouser la mort de mes gosses. Mais où es-tu donc Mais où es-tu donc avec notre invité du jour. Alors Halima, dites-nous les différentes décorations ethniques ont-elles les mêmes prix Non, les différentes décorations ethniques n'ont pas les mêmes prix. Ok. Voilà, ça dépend. Les tenues amants ont leur prix à part, les tenues Hausa, Tamacher, Kanouri, eux tous ont leur prix à part. On peut avoir euh, un exemple de prix Un exemple, bon, les tenues amants, la décoration, je le fais à 60 000. 60 000 Voilà. Waouh Hausa, ah, ainsi de suite. Là, le prix augmente. <laughs> voilà. Et qu'est-ce qui fait la, la différence euh, de Ce qui fait la différence, c'est que les matériaux qu'on met pour faire l'adéquation ne sont pas les mêmes. Parfois, il y a certaines ethnies qui demandent plus de matériaux que d'autres. Ce qui fait que les prix ne sont pas les mêmes. Hmm. Alors, euh, quelle tendance en matière de décoration de lieux, de cérémonie avez-vous observé récemment et comment Lima Décor l'IMADECO, excusez, s'adapte-t-elle hmm, à ces tendances la tendance que je remarquais, la plupart des clients nous visent à faire l'adéquation traditionnelle, l'adéquation traditionnelle maintenant qui est plus demandée. OK. Qui est plus demandée. Donc les hmm. clients avec leurs différentes ethniques euh, viennent avec son ethnie, ils nous posent, ils veulent l'adéquation de tel genre d'ethnique, on le fait pour le satisfaire. Hmm. Voilà. Alors, euh, vous avez parlé également euh, des, clients qui, qui, vous sollicitent un peu partout. Alors, euh, l'IMADECO travaille-t-elle en collaboration avec ses clients pour euh, comprendre leurs besoins et leurs préférences en matière de décoration ou bien vous venez seulement et puis vous vous lancez dans la décoration Non, je travaille <laughs> avec les clients. D'abord, le client m'appelle en guise, voilà, elle veut une décoration tel jour, telle heure. Et là, je lui demande ce mhm. qu'elle c'est quelle voilà, le lieu, l'ethnie, tout ça. On J'essaie de lui parler, il va essayer de se confier à moi, elle veut quel genre de couleur, d'animation aussi, surtout au niveau de l'animation. Mhm. On essaie de demander au client, il veut quel genre de son. On va mhm. essayer de choisir les propres sons. Une fois la décoration faite, on lance, on fait l'ambiance avec sa préférence de chanson. veut. Super. Alors, quelle tendance en matière de décoration de lieux de cérémonie avez-vous observé Je pense que cette question a été déjà... Euh, vous avez eu à répondre à cette question. Alors, euh, pouvez-vous partager des conseils hein, pour les couples qui, planifient leur mariage ou d'autres événements et qui cherchent à créer une décoration euh, mémorable Effectivement, un ça que j'aimerais passer au couple marié, de choisir un thème voilà, bien destiné. parce que des fois, au niveau de la décoration moderne, au niveau des cocktails, il y a un peu de mixage de couleurs. Donc, ils n'ont qu'à essayer d'être au même niveau de, au même niveau de longueur. Choisissez un thème, une couleur abordable. Voilà, parfait, on essaye de lancer. Alors, donc, cela veut dire qu'il y, a des, y a des cocktails auquel vous assistez où euh, le mari, il a sa couleur à part. Et la jeune mariée, aussi, jeune elle a, sa couleur à part. effectivement. Parce Que et c'est ça, ça, qui complique un peu le. C'est ça qui complique un peu. Parce que des fois, au niveau de la décoration hmm. moderne, effectivement, de cocktail, c'est le mari qui nous appelle. On prend contrat avec le mari. Mhm. Donc, lui, il est là, elle l'a mariée, elle n'est au courant de rien, juste, euh, elle finit son make-up, on l'amène, donc elle vient, elle trouve que sa décoration, genre, c'est pas du genre qu'elle a voulu et tout ça. Donc, ok, c'est son époux qui vient de lancer la décoration, tout son style, le thème qu'il a choisi. Et nous, on fait avec le thème. Donc, des fois, on a ce genre de problème, de hmm. malentendu. Et maintenant, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous, vous prévoyez comme solution, comme perspective pour que euh, dans l'avenir, qu'il n'y ait pas ce genre de problème Qu'est-ce que vous proposez lorsque un client vous fait appel à vous en tout cas, moi, ce que je propose, c'est d'essayer de communiquer entre eux, de choisir une couleur qui leur va à tous deux mhm. et aussi de choisir une, un, un, genre de thème qui leur convient. Mhm. Et voilà, là, on lance le contrat. Ou bien eux mêmes ils peuvent nous appeler en même temps, venons on va signer le contrat, on va essayer de choisir tout ensemble et on lance la procédure. Alors, euh, quels sont vos projets futurs pour Lima ah, Pour Lima, Lima Deco a plusieurs, a euh, plusieurs projets vraiment. Et aussi, c'est à revoir parce que le fait, moi, ce qui me fait mal, c'est que de voir mes soeurs qui sont là à nous ne mhm. rien faire. Donc, j'essaie de pouvoir ce que l'Imadioko puisse grandir et essayer de les attirer, hmm. de les appeler, de, les employer. Voilà, non pas de les employer, mais plutôt d'être en collaboration avec eux. Hmm. Parce que je tiens à ce que l'Imadioco, euh, ne va pas seulement s'arrêter au niveau de la décoration. Hmm. Je voudrais ouvrir un salon de coiffure, voilà, pour les aînés, les tresses, les make-up, tout ça, et aussi ceux qui sont là pour faire les make-up en solo. Mhm. Donc, de les inviter à venir rejoindre l'IMADECO pour qu'on essaye de faire en sorte que l'entreprise puisse grandir. OK. Alors, parlant d'employés, est-ce que votre entreprise actuellement, vous avez combien d'employés avec lesquels vous travaillez bon, Je ne peux euh, pas e dire que j'ai des employés, mais seulement j'ai des amis, travaille, des collaborateurs qu'on travaille ensemble. Ok. Qu'on travaille ensemble au niveau de faire des Et l'équipe peut faire combien de personnes L'équipe, c'est cinq personnes. Ok. Cinq personnes, l'équipe en tout. Deux, donc sur le terrain, nous, allons, nous sommes à trois. Ok. Aller sur le terrain, les deux autres sont là pour superviser pendant notre absence. Super. Alors, euh, Lima, euh, voilà. <laughs> <laughs> Merci infiniment euh, de nous avoir honorés de votre présence dans cette émission. Merci également. Nous vous souhaitons bon vent hein, et excellente journée à vous. Merci beaucoup à vous de même. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est nous à présent, c'est l'ère de notre rubrique hebdomadaire. Nous sommes lundi et justement, nous allons parler de la prescription acquisitive. Oui, la prescription acquisitive que l'on nomme, également euh, usicapion, voilà, c'est défini comme un mécanisme permettant euh, l'acquisition euh, d'un bien par l'effet du temps passé en sa possession. il faudra démontrer 30 ans de possession pour acquérir une propriété par prescription acquisitive. C'est ce qu'explique notre juriste Abdelrazak Maazou Atanan Foudé Ahmed. Maître, aujourd'hui, notre euh, première question, vous allez nous dire qu'est-ce que c'est que l'usicapion Ce qu'il faut dire, contrairement aux meubles, la possession d'un immeuble, donc d'un bien immobilier, ne permet pas l'acquisition instantanée de sa propriété. Il faut qu'un certain délai s'écoule pour que la possession permette d'acquérir la propriété d'un immeuble. C'est ce qu'on appelle l'usicapion ou la prescription acquisitive. C'est donc euh, l'acquisition d'un bien immobilier au bout d'un certain délai. Nous voulons savoir quelles sont les conditions de l'usicapion. Les conditions de l'usicapion se rapportent d'abord à la possession du bien. Et comme pour le meuble, cette possession doit d'abord être constituée dans ces deux éléments. En d'autres termes, le possesseur doit avoir le corpus, qui est la maîtrise de la chose, et l'animis qui est l'intention de se comporter comme le véritable propriétaire. Ensuite, la possession doit être utile c'est-à-dire elle doit être exempte de vices. Ainsi, la possession doit être continue, elle doit être paisible, elle doit être publique et elle doit être non équivoque. Enfin, l'écoulement d'un certain délai de possession qui va entraîner l'acquisition de la propriété. En principe, la propriété d'un immeuble s'acquiert après une possession de 30 ans. Toutefois, si le possesseur est de bonne foi c'est-à-dire, si le possesseur croit avoir traité avec le véritable propriétaire et s'il a un juste titre, c'est-à-dire s'il possède un titre en vertu d'un acte juridique qui lui aurait été transféré valablement la propriété de l'immeuble, le possesseur peut donc euh, acquérir la propriété de l'immeuble au bout d'un délai de 10 ans. Donc si le possesseur est de bonne foi, l'acquisition de la propriété de l'immeuble se fait au bout de 10 ans. Maître, notre dernière question, quels sont les effets de l'isicapion Les effets de l'isicapion sont ainsi qu'ils suivent. D'abord, l'isicapion n'entraîne pas l'acquisition automatique de la propriété de l'immeuble. Et une fois le délai de prescription atteint, le possesseur doit invoquer la prescription en justice. Donc le possesseur doit saisir le juge afin d'invoquer la prescription acquisitive. Ensuite, il est important de noter que le possesseur peut également renoncer à la prescription acquisitive. Enfin, euh, a un effet rétroactif. Si eh, la prescription acquisitive s'applique, le droit de propriété remonte jusqu'au jour, jusqu'au premier jour eh, de la possession. Ainsi, tous les actes eh, qui ont été accomplis par le possesseur avant l'expiration du délai de prescription sont donc validés. Voilà, c'était là Abdul Razak Mahazou au micro de Tarnan Foudé. Chers auditeurs, marquons une pause musicale avec ce titre Dada de l'artiste El Fahire go wake son dauka ai bani son abun da ya taba da dan mama kuma kuma ka zo ga yi mini ke damun ka fushin ka dai nake iya bata mini haiwa a duniya bana kauna mai saka kuka yeah sai yau a gashi na girma abun da alake yi na shiga waka ina tunada da ina 'yan magana ke cewa duwan na ya tuna da shi ya baya ji daɗin ba na ba a da wanda ake ke gurin wasa da sayayya a yanzu yanayi ya canza yeah haya inta na ke cewa rayuwa ta gama da minista ina girma kuma ya sauya hana shi kan kusu mama zaman yeah, yeah. Al-Radik fait partie de cette nouvelle génération d'artistes nigériens valables qui font leur bout de chemin. Calme de nature, Al-Radik sait allumer le public avec ses flots qui sont repris en cœur à chacune de ses prestations. Et oui, il revient dans ce titre sur ce qu'a été son enfance, ses rêves. Il rend également un hommage appuyé à ses parents qui ne sont plus de ce monde. Toute la chanson retrace ses souvenirs d'enfance lorsqu'il croise des enfants avec leurs parents dans ses déplacements. après cette pause musicale, nous, on passe à l'écho des régions. Effectivement, Mariam, atterrissons à Dosso pour parler de la journée internationale des enseignants. C'est nous, la journée internationale des enseignants est célébrée chaque 5 octobre. À Dogondouchi, cette journée est méconnue par beaucoup d'entre eux, car elle n'est pas mise en valeur par les syndicats des enseignants. Reportage Abdou Hassan Arzika. Le 5 octobre de chaque année est consacré à la célébration de la Journée internationale des enseignants. Cependant, au Niger, cet événement de grande importance intervient dans la semaine de la rentrée scolaire, ce qui marque le regroupement des enseignants au niveau de leur poste de travail. En effet, à Dogonduchi, cette journée a passé comme un éclair du moment où aucune activité n'a été organisée ni par les syndicats des enseignants ni par les responsables académiques. Monsieur Maman Banani est le secrétaire général du syndicat national des agents de la formation professionnelle et technique SINAFOPT. Il explique l'importance de la journée du 5 octobre qui consiste d'abord à respecter l'enseignant. Cette journée, vraiment, c'est une grande journée ainsi qu'elle est consacrée à la personne de l'enseignant. Et on a toujours l'habitude euh, de citer son importance à travers des poèmes qui finissent par être souvent des, comme des spectacles qui permettent à, des gens, bon, en fait, de prendre juste euh, un sourire ou bien, par exemple, une simple joie passagère. Mais nous, au plus profond, nous savons très bien que ce qui s'est dit là, c'est quelque chose qui euh, mérite d'être pris avec une certaine considération parce que euh, regardez toute la vie de la nation essentielle. La vie d'une nation, elle est faite, c'est-à-dire des connaissances. Il faut du savoir pour, c'est-à-dire, faire avancer la vie d'une nation, de la vie d'une nation. Voilà, donc c'est pourquoi l'importance de l'enseignant est là. Là, on sait qu'il est, c'est-à-dire le vecteur même qui est censé transmettre ces savoirs-là. Voilà, c'est pourquoi en tout cas cette journée, euh, donc vraiment, euh, je pense que ça va être nous, pour nous, euh, les, représentants vraiment des, enseignants, donc vraiment de rappeler cette importance. Du côté des enseignants, on constate que ce n'est pas tout le monde qui est au courant de cette date marquant leur journée au niveau mondial. Cela dit, M. Ibrahim Idé, maître de l'éducation physique et sportive se rappelle de cette date. Quant à Madame Adama, elle n'a jamais connu la date de la journée internationale des enseignants. Il y a quelques-uns qui sont au courant. Malheureusement, nos collègues n'ont même pas idée de cette date parce que rien n'a été prévu. Il n'y a aucune activité vraiment on doit avoir une méthode d'essayer de, de, revoir ces dates-là parce que c'est une journée qui doit vraiment être euh, manifestée par euh, les enseignants. Et manifester la journée-là, c'est une fierté pour les enseignants. Je ne suis même pas au courant de cette journée. J'ai même pas su. C'est à cause de toi que j'ai su que c'est la journée international des enseignants. La célébration des différentes journées devrait être marquée par des événements de taille dans le but d'amener les agents à s'imprégner de leurs droits et devoirs. C'est à cet effet que M. Brahim pense que la seule solution reste la sensibilisation. On n'y peut rien faire, mais quand même, on informe on échange dans les FADA par rapport à la date, On peut passer par la sensibilisation de temps en temps, les syndicats surtout, parce que c'est là où ça doit sortir. La date là doit être commémorée par euh, les enseignants et les syndicalistes devraient vraiment de temps en temps, les dates qui sont très importantes là doivent être publiées et sensibiliser les collègues pour que ces jours euh, ne passe pas inaperçu. Néanmoins, l'enseignant qui est au centre du développement de la société doit être rapproché et écouté et cela à travers une organisation digne de ce nom. Alors, il revient au syndicat des enseignants de penser à la formation civique de leurs camarades, ce qui fortifierait leur démarche dans la recherche des solutions à leurs problèmes. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien euh, la chronique euh, Écho des régions. À présent, recevons notre chroniqueur sportif du jour. Il s'agit bien de Hassoumi Gourouza qui est avec nous dans ce studio. Bonjour Gourouza. Bonjour Seno, bonjour Myriam. Bonjour. On va se chauffer un peu. <laughs> ah oui. Alors Gourouza, pour débuter cette page, parlons du départ de l'entraîneur du MENA national. Oui, nous, lex sélectionnaire de l'équipe nationale de football du Niger, le français Jean-Michel Cavalli, mhm. n'est plus avec le MENA national après trois années à la tête de l'encadrement technique de cette équipe. L'annonce a été faite euh, le samedi 7 octobre par l'instance suprême du football nigérien, euh, la foot à travers un communiqué. Et selon euh, celui-ci, c'est un en commun accord avec les deux parties ont, en tout cas, ils ont décidé de ne pas renouveler le contrat qui arrive à expiration le 30 septembre 2023. Son intérim sera assuré par Zakaria Ibrahim, sélectionneur national adjoint, et c'est lui d'ailleurs qui va conduire l'équipe lors des matchs FIFA prévus le 14, le 14 et 17 octobre prochain face à la Somalie et à la Libye au lieu du l'Iberia et de la Sierra Leone au stade Barachid du Maroc, faute de disponibilité, vous le savez, le stage Arsène de Niamey, suspendu avec, euh, par la CAF pour non-conformité aux normes de l'institution. Notons que Jean-Michel Cavalli a fait l'objet de plusieurs critiques et polémiques d'ailleurs chez les observateurs de football nigériens. Alors, Grouza, la FIFA a sorti les classements top 50 mondial. Oui, Myriam, euh, c'est un classement que la Fédération internationale de football communique périodiquement pour informer l'opinion de l'évolution des équipes nationales. Hmm. Pour le top 50, c'est nous. Mondial, le Mali a progressé. Les ailes occupent la 49e place mondiale en lieu et place de la Grèce. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, se retrouve à la 13e place mondiale et première nation africaine. Le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, perd deux places et se retrouve à la 20e place. Notre pays, le Niger, dans ce classement, occupe la 123e place. Mais, il faut noter que la plus grosse progression du monde est à mettre à l'actif de la Guinée-Bissau, qui a gagné 6 place et se classe 106e devant le Niger. Il faut également noter l'Argentine, euh, euh, championne du monde, occupe la première place, évidemment, et devant la France et le Brésil. Voilà le sport. J'espère que vous vous allez vous réveiller un ah peu. Ah oui, oui, oui. Hein? C'était au rendez-vous en tout cas. <laughs> D'accord, merci beaucoup. Merci Gourouze. Après l'espoir, nous enchaînons avec la rubrique portrait. Oui, dans la rubrique portrait, nous allons vous présenter un jeune jardinier, Salifou Garba, qui fait euh, ses activités au bord du fleuve euh, Niger à la corniche Yantala. Une activité héritée de son père qu'il exerce à son tour. Cependant, son activité rencontre des difficultés par cause d'inondations. Omar Hamma est allé à sa rencontre. irgidan salat irgidan seleri irgidan persil irgidan pavron irgidan mint bon igi baba kirgidan kwa jir fo no ne na koyo wasintu yi alto 20 ans dan gore ne haija dan ga de ne haija har fiye gumbo a gonongo za yi go ko ko lara de ne go kwa dir ne ko lir irge vie de aga rose pre de era to ro irmi kol ko ente amu kayan kin di tengu ban se ifo se ni na goyo wosu ba ai ni suba de no piske ingi de na yo ka gara vie gote piske mu kai go mbo da ara de na vie ne ger kale toy bo so ara de na go gai bon jere ara na go gai murade kulte ai go gai fami yo ngwa ndi ni ge hengir fahamandi na fadde na fofono ni du goyo wora to alhamdulillah wallahi piske ara de na go go gai murade tay bon se si ko kai bo fo bon ne no ya kinai no ya kinai to iga bai goykulu borsijan sandai ara ni bai ga du sandai goyowora a ah, sanda da ka rigo du komson longo da kan nongo zuwa har da no go tunir se labora wanda da no tiror problem sanda matakai da mat kai da bisino kulu irsa goyi mat kirga babin boda nugu duron wote in ka bota ya ga son haro go monte kabene di haro monte kulu napono gizigi bene bai subay na jardin jardangara to madalla ke yon fono nigite danga bor yon kan gahingane hingane iga goisu ban wala kanyon de ga goroga kambe koli bay so ba kul e wat kul ne de go ikay me go te 18 heures kofu bin bor tun kan bon sha ba gore yamu Merci Omar Hama pour ces portraits, chers auditeurs, pour notre toute dernière balade en musique. Nous vous proposons le groupe Tal National avec ses titres Irname. Bye-bye. Irname, cher auditeur, euh, c'est le titre chanté par euh, le groupe d'orchestre Tal National, tout en espérant que vous avez bien aimé et que vous avez quand même euh, pu hein, bouger sur ce rythme hein, très très très époustouflant. <laughs> voilà. Tal National est une formation musicale du Niger. Elle regroupe plusieurs chanteurs et instrumentistes. Il faut noter que Tal National est actuellement à son actif plusieurs albums entre autres Apacté et qui, hein, qui est sorti en 2006, suivi de Anawaya en 2008, de Kani en 2013, pour ne citer que cela. C'est nous, c'est l'ère de l'autre du jour qui touche un point essentiel chez les jeunes filles. Effectivement, Mariam, il s'agit euh, des menstruations ou règles euh, qui désignent l'écoulement périodique d'un fluide biologique complexe chez les femmes et les adolescentes. Elles apparaissent généralement à l'âge de 13 ans chez les filles, certains les vivent à 10 ans, d'autres à 17 ans. Selon les adolescentes rencontrées, leurs premières règles sont souvent source d'inquiétude. Il est donc important que les mamans sensibilisent les filles à mieux comprendre ce phénomène. Affairage, affairage, affairage, affairage. Sadio, Sadio. Oui, maman. Qu'est-ce que tu as Tu es pâle et je te trouve préoccupée. Moi Non. Je. Je suis juste fatiguée. Je ne te crois pas. Tu oublies que je suis celle qui t'a donné la vie. Je te connais donc suffisamment. Qu'est-ce qu'il y a Maman. Parle, ma petite Sadio. Ne te ferme pas. Tu peux te confier à ta maman. Je ne sais comment t'expliquer. Ce matin, j'ai découvert une tache de une tache de sang sous sous je crains de m'être blessée, je ne sais pas comment. <laughs> je vois ma fille. Ce sont tes premières règles. C'est un état physiologique naturel. Tu viens d'entamer une phase de ton adolescence. Et ça, pour une fille, c'est souvent difficile à vivre. C'est pour cela que les mamans doivent créer le dialogue entre elles et leurs filles afin de mieux les suivre et les encadrer. Les règles Qu'est-ce que c'est Bon, viens, écoute-moi. Écoute-moi attentivement. La menstruation ou règle désigne un écoulement sanguin périodique évacué par le sexe de la femme. Cet écoulement peut généralement durer de 3 à 7 jours selon les femmes. Cela signifie que tu es tout simplement en âge de procréer, c'est-à-dire avoir des enfants, donc mes petits-enfants. Donc tu peux tomber enceinte si tu as des rapports sexuels. Ma fille, c'est un moment délicat à vivre hein, pour que tu te sentes bien dans ta peau durant cette période il est important pour toi de choisir ta protection périodique. Eh Dieu, protection périodique. Il y a beaucoup trop de termes que je ne comprends pas. Hein? Mon cerveau va exploser. Attends, s'il te plaît, Sajo. Je vais tout expliquer. C'est mon rôle après tout, ou bien Oui. La protection périodique, ce sont les différentes protections hygiéniques les serviettes hygiéniques sont les moyens les plus utilisés, mais pas forcément les plus agréables. Les protèges silips permettent d'assurer la protection des flux très légers des débuts et de fin de cycle. Les tampons hygiéniques sont très pratiques, surtout pour les filles qui font du sport. Il y a aussi nos serviettes hygiéniques traditionnelles qui se font avec des morceaux de pagne. L'avantage ici, c'est que ça ne coûte rien. Il faut cependant choisir des pagnes propres pour en faire. Ah oui, je vis souvent ma soeur Aïcha en fer. C'est donc ça. Mais maman, j'ai mal au bas-ventre. Oui, ma chérie, ça aussi c'est normal. La prise de certains produits contre les douleurs ou même la pose d'une serviette chaude sur la partie peut aider à soulager l'inconfort. Par contre, si la douleur te cloue au lit ou t'empêche d'aller à l'école, nous devons aller en discuter avec un médecin. Super, maman. Tu es la meilleure. J'ai tellement eu peur, mais tu viens de dissiper toutes mes craintes et répondre à toutes les questions que je me posais. Excuse-moi ma fille, j'aurais dû en parler avec toi plus tôt car il est nécessaire d'aborder le sujet des règles avant que votre fille ne soit confrontée à ses premières. Elle sera ainsi préparée et rassurée quant aux nouvelles habitudes qu'elle va devoir adopter. Je suis devenue une grande fille maintenant. Je vais devoir changer de démarche, hein, maman. Hey, hey, attention. Hein. Chers auditeurs, c'était le loti offert par le desk femme du studio Kalangu. À présent, écoutons ou disons, découvrons ensemble le mot du jour avec Jackie Dalton, responsable éditorial de la Fondation Hirondelle. C'est la culture linguistique. Hello, how are you? Bonjour, comment ça va? Today, we're going to talk about meals. Aujourd'hui, nous allons parler des repas. Premièrement, savez-vous comment dire petit déjeuner en anglais? c'est breakfast. Breakfast. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la culture anglaise, peut-être vous savez qu'il y a le fameux English breakfast, qui est un repas qu'on mange pour le petit déjeuner, un peu traditionnel ou classique. Ça comprend des saucisses, sausages, des œufs, eggs, et des tomates et des champignons et plein d'autres choses assez gras. Personnellement, moi je ne l'aime pas tellement parce que je trouve c'est très lourd. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ça et euh, en fait, après avoir mangé ça, on n'a plus envie de manger toute la journée, tellement c'est gras et calorifique. Alors, ça c'était le petit déjeuner, breakfast. Ensuite, le déjeuner, ça se dit lunch. Lunch. Donc on a breakfast, ensuite on a lunch, et ensuite le soir, le dîner, c'est tout simplement dinner. Dinner. Breakfast, lunch, dinner. I eat breakfast every day. Je mange le petit déjeuner tous les jours. I eat, je mange. Breakfast, I eat breakfast every day, tous les jours. I eat breakfast every day. Allez, maintenant un petit quiz. Comment dire dîner en anglais J'espère que vous avez réussi, c'est le plus facile, c'est dinner, dinner. Et alors le déjeuner qui se mange à midi, lunch, lunch. Et enfin, le matin, qu'est-ce qu'on mange C'est breakfast, breakfast. Et encore un dernier challenge pour vous, comment dire je mange le petit déjeuner tous les jours. Allez, voilà, c'est I eat breakfast every day. I eat breakfast every day. Breakfast, lunch, dinner. Those were today's English words. See you soon. À bientôt. Merci Jackie pour cet éclaircissement, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, Zarma, Tamashek ou Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 à 64. sunana muhammad zayyana ne ke da suna ina sauraron labaran ku na kalangu studio kalangu a nan dogon dutse eh nan kusan niger coast da haka sannan me ke da suna gaskiya kan abubuwan da kuke nan gayi yana kawatar da mu sosai akan haka surtu ma irin labarin da ake ciki yanzu kamar actualite na harka siyasa ko in ce kude ta gade da ta faru nan a nan niger kowa yanzu yana fahimta abubuwan da ake ciki da ya kasance gaskiya kan kalangu tana kokari kan wajen. wajen muna fata allah ya taimake su duk wani labarin da za su iya badawa muna fatan da ya kasance sai sun tsabtace sun yi komi da komi suke nan ga watsu mana su saboda idan za ka faɗa ka faɗa a dalili kuma ka ce ka je a wuri kaza wannan abin gaskiya kan muna son haka kuma muna gaida su sosai a bisa kan namijin kokarin da suke nan gai don samo mana labaru masu muhimmanci akan wannan abin to ina gaida sanusi mai shago nan san nijar fasto da sannan kuma sira makwabcin shi akan haka sannan kuma garba abokina wanda yake lakani da suna abdulrahman na sanusi yahaya muna sauraron studio kalangu surtu labarin da matasa ke yi bisa kamar wasu matsaloli da aka samu na rashin hutaga mutane sun san da yanayi na ba wani zage-zage kowa ya san da lokaci ne muna jin daɗi sosai bisa kai ga studio kalangu muna ɗan sauraron shi lokaci zuwa lokaci allah ya ƙara ɗaukaka shi da mu da su duka gaba ɗaya muna jin daɗi sosai sosai bisa kai ga studio kalangu to ina gaida sira makwabcina da yahuza shi ma mai sai da isansi da makwabcinmu kuma dudu shi ma mai hwaci a madadinsu duka ina gaida kowa da kowa Suna na malam mubarak a Tahir mai shayi na bakin ra'ayin mu akan studio kalangu gaskiya abubuwan da suke yau yana kayatar da mu sosai kuma muna so kawai a dinga ba mu goyon baya akan abubuwan da ake ta yi shina da kyau sosai insha Allah to gaskiya duka abubuwan da suke yi shina birge duka ina saurare kuma abubuwan suna birge da labarai da ma'aurin duka to ina gaida tsalhwa meri ina gaida tela Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs et auditrices, ici prend fin cette émission de ce lundi 9 octobre 2023. Vous étiez en compagnie de Mariam Adé et Seno. Et oui, l'édition a été assurée par Kadijatou Isaka et Adama Dawaki. À la technique, euh, il, il se nomme tout simplement Issa Lawali. Bye bye.